Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission quotidienne Le Forum du studio Kalangou. Le thème du forum de ce soir porte sur la traite des femmes et des enfants au Niger. Phénomène de société qui existe depuis la nuit des temps, la traite des femmes prend de plus en plus d'ampleur à travers le monde. Elle s'observe aujourd'hui beaucoup plus au niveau des femmes et des enfants. La traite des personnes est décrite le plus souvent comme l'esclavage moderne privant les victimes de leurs droits humains. Le Niger, à l'instar de nombreux pays, est également concerné par ce phénomène. Les changements climatiques qui font que les récoltes ne répondent plus aux besoins des agriculteurs, l'insécurité grandissante de la sous-région avec l'afflux des réfugiés sont entre autres facteurs qui favorisent la traite des personnes, notamment celle des femmes et des enfants où beaucoup seraient victimes d'exploitation sexuelle ou de travail forcé. Alors, comment se présente la situation de la traite des femmes et des enfants au Niger Quelle est la politique mise en place par l'État et ses partenaires pour faire face à ce phénomène Quelles sont les conséquences et les tests juridiques qui sanctionnent la traite des femmes et des enfants au Niger pour répondre à ces questions et bien d'autres, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio M. Barry Ibrahim, chef de division communication au ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Bonsoir, Monsieur Barry. Bonsoir. El Hajj Al-Mansour Mohamed, commissaire aux droits de l'homme à l'association Timidria. Bonsoir, El Hajj Al-Mansour Mohamed. Bonsoir, euh, madame. Monsieur Ousmane Maman, directeur général de l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes et du trafic illicite de migrants. Bonsoir, Monsieur Ousmane. Bonsoir, Madame. Je suis Fatih Zakari à la présentation de cette émission. Voilà, d'entrée en jeu, euh, veuillez donc euh, nous présenter brièvement votre structure. Je commence par le directeur général de l'association nationale de lutte contre la traite des personnes et du trafic illicite de migrants. Monsieur Ousmane Maman. Euh, bonsoir, madame. Euh, merci euh, d'avoir pris l'initiative d'organiser un tel débat, mm. ou d'échange, je dirais, l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants. C'est une structure qui est rattachée au ministère de la Justice. Pour rappel, euh, c'est un système euh, dualiste au Niger. Mhm. Il y a la Commission nationale de coordination de la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants et l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants. Ce sont deux structures qui ont été créées par le même texte, notamment l'ordonnance 2010-86 17 décembre 2010 mhm. relative à la lutte contre la traite des personnes euh, la commission est l'organe de conception des politiques et stratégies en matière de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants. Quant à l'agence, elle est l'agence d'exécution de ces politiques et de ces stratégies en matière de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants. Mhm. Merci Ousmane. Je reviens vers euh, l'âge allemand sur Mohamed, euh, commissaire aux droits de l'homme. Veuillez nous présenter l'association Timigria. Commissaire de mhm. c'est une association, en tout cas reconnue, mhm. nationale, hein, reconnue en 1991 mhm. et elle a pour objectif euh, la défense des droits de l'homme en général et plus spécifiquement sur les questions de les questions de l'esclavage et de la discrimination. La Sainte Modria a été en tout cas à l'avant-garde de la prise de la loi. qui réprime euh, les pratiques esclavagistes au Niger. Et donc, euh, nous sommes une association qui faisons comme les autres, les actions de plaidoyer, les mhm. actions d'information, les actions d'assistance aux victimes. Et, tout naturellement, nous travaillons, nous collaborons avec euh, les agences en charge et les commissaires en charge mhm. des questions de lutte contre la traite. Mhm. Au Niger. Monsieur Barry Ibrahim, chargé de division communication au ministère euh, de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Exactement, madame. Le ministère, à travers son objectif global et en termes d'assistance aux enfants, mais mhm. également en termes de promotion de la femme, a comme objectif global d'assurer une protection adéquate mhm. à la frange de la population qui mhm. ne bénéficie pas de manière adéquate, une prise en charge personnalisée et individualisée en fonction des besoins. Merci. Monsieur Ousmane, euh, Maman, directeur général euh, de l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes et du trafic illicite euh, de migrants. Qu'est-ce qu'on entend donc par traite des femmes et des personnes Merci. La traite euh, des personnes, l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes, dans son fondement, d'abord c'est la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, la CTO, et son protocole additionnel sur la traite des personnes, spécialement sur les femmes et les enfants. Donc euh, la traite, c'est d'abord constitutif de trois éléments quand on parle de la traite. D'abord, un acte qui consiste euh, à recruter une personne et des moyens, l'hébergement, le fait d'utiliser euh, des astuces pour le recruter. Et maintenant, la finalité, c'est l'exploitation. Donc dès qu'il y a un acte, des moyens qui ont été utilisés et une exploitation au final. Donc nous sommes en présence de la traite des personnes. Donc la finalité, c'est surtout l'exploitation. Donc euh, les femmes et, les enfants sont les couches les plus euh, victimes. Mhm. Parce que c'est des couches qui sont les plus euh, vulnérables. Mhm. Et le protocole a spécialement consacré la traite des personnes, des femmes et des enfants. Mhm. Alors, à l'heure actuelle, comment se présente la situation au Niger Au Niger, la traite, elle existe sous plusieurs formes. Il y a d'abord l'exploitation de la prostitution des femmes, il y a l'exploitation de la mendicité euh, d'autrui, parce qu'il n'y a pas que la mendicité, mais c'est l'exploitation de la mendicité qui devient une traite. Il y a également le travail des enfants, donc des enfants qu'on amène sur des sites miniers pour les exploiter. Et le cas le plus euh, répandu aujourd'hui, c'est surtout euh, l'exploitation de la mendicité d'autrui, qui prend d'ailleurs plusieurs formes. Aujourd'hui, vous assistez à une location des enfants pour faire la mendicité. Donc quand vous prenez maintenant euh, au niveau des carrefours, les dames là que vous voyez avec des jeunes filles, mhm. ce ne sont pas leurs enfants. Ce sont des enfants d'autrui, mais qui sont loués mhm. par jour. Donc à la fin de la journée, on leur retrocède une partie de ce qui a été récolté si je peux le dire ainsi. C'est des enfants qui prennent, en location. <laughs> Oui, c'est des jeunes filles qui se manifestent euh, souvent d'elles-mêmes. Mm. Donc, qui désirent accompagner ces vieilles dames-là juste euh, pour mendier. Mm. Maintenant, à la fin de la journée, ces jeunes filles-là ou ces jeunes garçons-là mm-hmm. sont aussi rétribués. Donc, il y a aussi la location des enfants vers l'Algérie également. Donc là, ça se passe surtout euh, dans la région des Inders. Mm-hmm. Donc, un père de famille peut prendre euh, quelques enfants du quartier pour les conduire en Algérie et les verser dans la mendicité. monsieur le directeur général, est-ce que vous disposez donc des chiffres des Bon, des chiffres, euh, pour le moment, je n'ai pas sur ce plateau, je n'ai pas ça en tête, mais quand mhm. même, il y a beaucoup de cas mhm. qui nous sont transmis par nos bureaux régionaux. Mhm. Et pour rappel, nous avons des bureaux régionaux au niveau de tous les tribunaux des grandes instances, donc euh, Agadez, Arlit, plus Arlit et Kony donc euh, qui sont en matière administrative, ce sont des, départements, mais dans la configuration juridique, ce sont des régions. Donc euh, nous avons des représentations dans chaque TGI et maintenant, c'est eux qui nous répercutent chaque mois quelques statistiques qu'ils ont eu à connaître. Alors, euh, quelles sont les régions les plus concernées donc, par ce phénomène Les régions les plus concernées mhm. par la traite, c'est surtout la région de, de, Zender. Mhm. Après la région d'Agadez, la région de, de Tawa, mhm. Donc, euh, il y a aussi euh, la région de Dosso, Niamey. Bref, en fait, euh, presque toutes les, régions, du mm. Niger sont concernées, mais c'est au cas par cas. Mm-hmm. Chaque région a sa spécificité. Mm-hmm. Donc, il y a des régions qui sont connues pour l'exploitation de la mendicité, d'autres pour l'exploitation de la prostitution d'autrui, donc d'autres pour le travail forcé des enfants. Donc, et d'autres pour même des cas d'esclavage de chacun. Donc, chaque région a sa, plus ou moins sa spécificité. Al-Mansour Mohamed, vous êtes donc euh, commissaire aux droits de l'homme. Vous avez donc quelque chose à ajouter par rapport à la situation donc, euh, de la traite des personnes au Niger. Le DG a, tout dit, puisque parce c'est la structure euh, de l'État en charge de ces mhm. questions-là. Comme il a si bien dit, la question de la traite et de l'esclavage. Mhm. sont des questions qui concernent en tout cas toutes les régions, à des variantes et tenant compte aussi des cultures des de, communautés. Mhm. Donc ça fonctionne des milieux, euh, les formes euh, de traite et de l'esclavage. Mhm. Euh, changent. Mhm. Les femmes et les enfants sont les premières cibles et qui sont en tout cas utilisées en dehors même de nos frontières. Je pense que si on mène des enquêtes à travers nos campagnes de transport, à travers ce qui se passe autour. Euh, nous allons certainement comprendre qu'il y a c'est un phénomène qui est là. Les acteurs qui le font, en fonction des situations, arrivent à changer de stratégie pour échapper effectivement aux, enquêtes, aux investigations de l'agence de la traite des personnes. Parce qu'à chaque fois qu'on découvre des cas ou qu'on découvre des formes, c'est comme le trafic de drogue. À chaque fois que vous découvrez les astuces des uns des autres, ils arrivent à changer, à s'adapter pour, euh, en tout cas, pour pour mieux exploiter euh, leurs victimes. Monsieur Barry Ibrahim, chef de division communication au ministère de la promotion de la femme et de la protection des enfants. La traite des personnes, notamment des femmes et des enfants, est aujourd'hui une réalité au Niger. Elle fait aujourd'hui euh, la une des médias et alimente aussi les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui explique cet état de fait euh, Évidemment, la, traite des personnes, notamment des enfants, femmes et des enfants, connaît aujourd'hui une recrudescence inquiétante à partir du moment où cette traite-là, si elle est alimentée, c'est parce que tout simplement, il existe un réseau migratoire recrudescent. Pour cette raison, nous ne pourrions dissocier la traite de la migration, surtout la migration irrégulière. Quant à la migration régulière, quand lorsqu'elle est entretenue à bon, ordre et dans le respect de la dignité humaine, mhm. elle, elle pourrait être entreprise. Mais celle irrégulière. C'est elle, malheureusement, qui relève d'une société incivile. Mhm. J'entends par la société incivile c'est tra trafiquants de drogue, ces trafiquants de migrants, mhm. c'est ces, gens mal intentionnés qui alimentent ces réseaux. Et malheureusement, la conséquence devient de plus en plus néfaste. Mhm. Et c'est pourquoi s'il y a une population qui nécessite une prise en considération de la situation, c'est bien les, femmes et les enfants. Les femmes dans la promotion de leur autonomisation et les enfants dans le processus ou les dispositifs que nous mettrons en place pour pouvoir leur apporter une protection adéquate, comme je l'ai dit précédemment. Monsieur Ousmane Maman, quelles peuvent être les causes liées donc, à la traite des femmes et des enfants Les causes sont de plusieurs ordres et elles dépendent aussi de, des cas de traite. Elles dépendent aussi des, régions. Elles dépendent également des nationalités de ces victimes de traite. Parce que la traite, c'est vrai, on parle de traite ici, mais en réalité, les mhm. victimes sont en grande majorité des nationalités étrangères. Généralement, ce mhm. sont des ressortissants des, pays voisins mhm. qui font l'objet de traite. Mais le Niger, de par sa position, un pays de transit, souvent un pays euh, de destination aussi, et à la fois un pays de départ, parce que il y a des cas de traite aussi qui concernent aussi nos nationaux. Donc euh, la traite constitue vraiment euh, une activité très lucrative. Ça génère beaucoup de fonds. Donc les trafiquants engrangent beaucoup d'argent dans ce phénomène-là. Et c'est devenu une criminalité transnationale. Donc tous les pays du monde aujourd'hui sont concernés par la traite des personnes. Au Niger, c'est même marginal par rapport à certains pays asiatiques, par certains pays européens, par rapport à certains pays européens. les causes ici au Niger, en ce qui nous concerne, quand on prend par exemple la région des Indères pour euh, l'exploitation de la manicité, c'est surtout la pauvreté. La pauvreté est un élément essentiel qui pousse d'abord à la migration et maintenant, au cours de cette migration, ça tourne mal et souvent les migrants sont exploités. Il y a la diminution des terres, des cultures, parce que la population augmente à un rythme effréné et les terres deviennent de plus en plus euh, non seulement pauvres, mais les membres de la famille augmentent et donc les terrains qui est là depuis des générations n'augmentent pas. Donc ce qui fait que les terres sont rares, les terres sont pauvres, ce qui fait que souvent les, familles n'hésitent pas à donner leurs enfants à quelqu'un pour les amener en Algérie, mhm. juste pour avoir quelque chose. Alors, euh, quelles sont les actions menées euh, par votre structure face donc à la traite des femmes et de ces enfants Ok. Sinon, par rapport aux causes, je n'ai pas aussi fini parce que ah, j'aimerais aussi ajouter qu'il <laughs> y a aussi les mariages précoces parce que j'aimerais mhm. vraiment le dire. Souvent, des jeunes filles sont mariées vraiment très tôt contre leur gré mhm. et souvent, elles quittent le foyer. Donc, elles pour maintenant se verser dans la prostitution. Et maintenant, souvent, elles sont à la merci des femmes qui exploitent cette euh, prostitution. Mm. Donc voilà ce que j'aimerais ajouter aussi. C'est aussi une cause <laughs> de traite aujourd'hui, en tout cas concernant la prostitution. Maintenant, les actions que nous menons, nous, nous menons des actions de sensibilisation. Donc ça, c'est le quotidien de, de notre structure. Euh, nous faisons des séances de sensibilisation, mhm. de formation à l'endroit de tous les acteurs qui interviennent dans le domaine de la traite. D'ailleurs, euh, nous faisons chaque fois des formations dans le cadre de la protection. Ça concerne généralement les directions régionales mhm. de la protection de la femme et de l'enfant, les ONG qui interviennent dans ce domaine. Euh, nous faisons aussi de la sensibilisation et de la formation à l'endroit des acteurs de la chaîne pénale notamment la police, la gendarmerie, les magistrats qui s'occupent de la répression. Donc tous les acteurs de la répression, d'interpellation, de la poursuite et de la protection. Nous faisons de la sensibilisation. Mais est-ce que euh, ces actions ont porté donc euh, leurs fruits Je dirais oui, effectivement, ces actions portent euh, leurs fruits parce que chaque fois, vous allez voir que non seulement la population et ses acteurs formés mhm. arrivent à appréhender plus les questions de traite. Parce que la majorité des gens font de la confusion entre le trafic illicite des migrants et la, traite, des, personnes. Parce que c'est deux infractions différentes. Mhm. Euh, qui sont prévus et réprimés par deux textes différents. La traite des personnes est prévue et punie par euh, l'ordonnance 2010-86 mhm. du 16 décembre 2010, alors que le trafic illicite des migrants est prévu et puni par l'ordonnance 2015-36 du 26 mai 2015, donc relative à la lutte contre euh, le trafic illicite des migrants. Donc, c'est deux infractions différentes, mais avec les formations, souvent on essaie de faire connaître aux acteurs les différences et les points de rapprochement entre les deux infractions. Et au sortir, on fait des tests, euh, des pré-tests et des post-tests. Maintenant, à la fin des formations, vous allez voir que les gens ont plus appréhendé ces questions. Mhm. Et à long terme, vous allez voir qu'il y a plus de dénonciations et même dans la répression, vous allez voir que eh, la police, la gendarmerie ou même les magistrats arrivent encore à réprimer encore plus facilement qu'au début de ce phénomène. Voilà, Baria Ibrahim, chef de division communication au ministère de la promotion de la femme. Quelles sont les actions menées par le ministère face donc à ce phénomène Je voudrais, avant de répondre à la question là, euh, rappeler en, mémoire le 27 septembre, évidemment, 2013, mhm. euh, où la nation entière s'était réveillée sous le choc mhm. avec les drames qui avaient eu lieu au nord d'Alit, où nous avions, euh, où le gouvernement avait annoncé la découverte de 92 jusqu'à 92 corps mhm. constitués des femmes, des enfants et, des hommes, dont par profil 52 enfants. Et 33 femmes et, et 7 hommes. Tous ont perdu la vie de faim et de soif dans le désert. À partir de cet instant, comme activité menée par notre, par notre ministère, interpellée par la problématique qui devient inquiétante, et l'élaboration et la mise en place d'une stratégie de communication. Mm-hmm. Une stratégie de communication qui consiste à prévenir la migration irrégulière comme l'a bien si notifié M. le DG, des, ressortissants de la région des Andes. Parce que ces drames trois quarts de ceux qui avaient été victimes ce jour-là provenaient de la région des Andes, précisément au niveau des Kandjé. Mhm. D'où la nécessité d'aller vers la mise en place d'un axe stratégique qui se décline sur des programmes mhm. bien précis, précisant les contextes, les objectifs et les actions prioritaires. Et mm. ces actions, comme actions prioritaires, nous avons également, parce que notre ministère, le ministère de la promotion de la femme, c'est un, un, ministère qui mise sur mm-hmm. Et qui dit intersectorialité par du concours de plusieurs institutions mm-hmm. dans le cadre de la promotion de la femme et aussi de la protection, de l'enfant. Et pour ce faire, nous avions mis en place en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la, population, infpi mm-hmm. une initiative en faveur des adolescentes pour lutter contre le phénomène de traite. Et ces adolescentes-là, elles sont identifiées, placées dans des espaces sûrs au cours desquels elles ont des sessions modulaires où on leur transmet de la connaissance sur des différentes thématiques par rapport au premier point. Maintenant, secondo aussi, il faudrait noter également l'initiative axée sur le programme Spotlight mm. qui a comme objectif euh, principal de contribuer à, un changement positif de comportement en faveur de la jeune fille, mhm. en faveur des, femmes. à cela pourra également s'ajouter les mhm. différentes orientations mises en place par notre ministère qui consiste à aller vers la population, cette population vulnérable qui est victime de la traite mhm. à travers des programmes à base communautaire au cours desquels des dialogues sociaux sont instaurés et qui font la promotion d'un changement de comportements positifs à de de, de, prévenir. Existe t il des lois au Niger qui protègent la femme et l'enfant Oui, il existe évidemment des lois précisément au niveau de, de l'enfant. Du, point de vue national, nous, pouvons, nous pouvons, ici noter euh, la loi 72-2014 mhm. déterminant les attributions, les mhm. compétences et le fonctionnement des juridictions pour mineurs. C'est une loi adoptée nationalement et qui protège les enfants. Et c'est évidemment cette loi-là qui se rattache dans son exécution à la Convention des Nations Unies qui avait été mentionnée par le DG, mhm. relative à la criminalité transnationale qui établit un cadre universel dans la mise en œuvre d'une coopération policière et judiciaire. Voilà, nous allons à présent écouter euh, El Mansour Mohamed, euh, commissaire aux droits de l'homme à l'association Timidria. Pouvez-vous donc nous dire les actions menées par votre structure face donc à la traite des femmes et des enfants L'association Timidria, en tout cas, dans ses, de activités privilégie effectivement l'information, les questions de communication, de la sensibilisation. Et les questions également de la vulgarisation des textes. Mhm. C'est pour cela que nous avons mis en place ce que nous appelons du parajuris dans mhm. certaines régions pour qu'ils puissent aider les communautés à connaître un certain nombre de textes, de lois. Parce qu'il y a la question effectivement de, l'ignorance. Vous savez, nous sommes à euh, un taux élevé. Je pense qu'il faut euh, mettre l'accent sur la question d'éducation, de sensibilisation et de mhm. l'information. Et ensuite, la question de, l'assistance. C'est pourquoi nous avons ces parajuristes en région qui essaient en tout cas d'orienter certaines victimes, soit vers la justice ou vers euh, en tout cas les agences. En tout cas, tout ce que nous faisons, les structures de l'État, surtout l'agence en tout cas, mhm. connaît très bien ce que nous faisons par rapport à ces questions-là au niveau de donc, la question, nous prouvions comme je dis, la question de l'assistance, la question de la sensibilisation de l'information. Et nous faisons également des plaidoyers par rapport aux, dispositifs euh, mhm. légaux réglementaires qui nous paraissent quand même. Euh, qui comportent pour nous des insuffisances. Mhm. Nous essayons de faire des plaidoyers récemment. Nous étions dans un atelier avec le DG où nous avons pensé qu'il y a un certain nombre de lois qu'il faille, faille quand même euh, réprimer, enfin, un pour mieux prendre en compte la, question de, la traite des personnes. Je vous dis que, euh, pour finir, hein, la, il faut combiner, de mon mhm. point de vue, le l'a e, la question du développement mhm. et aux lois et aux dispositifs légaux réglementaires que nous avons. Mhm. N'est-ce pas Il faut combiner, il faut réprimer, mais avant la répression, il faut créer les conditions pour que socio-économique favorable à ces couches de communauté euh, par rapport à l'éducation de leurs enfants, par rapport à l'accès à certains services sociaux de base, mhm. euh, ça pourrait, de mon point de vue, éviter euh, de donner son enfant pour qu'il soit en tout cas maltraité en Algérie. Je suis, je suis un peu du Nord, <laughs> je, je sais comment c'est la, la, la, perception qu'ont les Algériens, malheureusement, de Tamara, cette hôte des Nigériens, malheureusement. Donc, il faut, à travers nos politiques publiques euh, au Niger, il y a i etc., mhm. il faudrait vraiment qu'on crée des poules, qu'on développe, qu'on crée des opportunités économiques à ces, à ces, zones rurales-là, mhm. démunies, pour qu'elles euh, puissent avoir accès au minimum et que leurs enfants aillent à l'école. Je pense que ce qui va amener quelqu'un qui jouit de toutes ses facultés à donner son enfant pour qu'ils soient maltraités en Algérie ou, en Libye. ça me paraît très grave. La deuxième partie euh, du forum est consacrée à la politique euh, de lutte contre la traite des femmes et des enfants. Monsieur Ousmane Mamman, les autorités ont fait de la lutte contre la traite des personnes une priorité en instaurant une journée nationale de mobilisation contre la traite des personnes qui est célébrée chaque année euh, le 28 septembre. Alors, quelle est l'importance de cette journée? Merci Madame. D'abord, euh, la journée nationale de lutte contre euh, l'immobilisation contre la traite des personnes, mhm. euh, ce n'est qu'une réalisation parmi tant d'autres. Mhm. Parce que le Niger aujourd'hui a atteint un degré d'évolution très avancé mhm. dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes. non seulement le Niger a internalisé très tôt la convention de la CTO et ses, protocoles, donc en adoptant des lois, une ordonnance et une loi. Et Déjà, nous avons commencé également à mettre en place un certain nombre de recommandations de ce protocole. Le Niger a créé les deux structures que j'évoquais tout à l'heure. Il y a eu euh, une loi sur le trafic de des migrants. Il y a une ordonnance sur la traite des personnes. Il y a également un centre d'accueil et de protection des victimes à Zender. On a élaboré un mécanisme national de référencement des victimes de traite mhm. avec une cartographie des acteurs. Donc ce sont des choses que le protocole demande aux États de faire. Mm-hmm. Et c'est en fonction de cela qu'on peut évaluer le niveau d'évolution d'un pays. Mm-hmm. Donc, euh, on pense que le Niger est parti déjà très loin dans ce domaine. Et en plus, euh, la journée également de mobilisation est une initiative également qui n'est pas prise dans les autres pays, en tout cas à ma connaissance, euh, pas dans la sous-région les autres pays euh, célèbrent la journée internationale de lutte contre la traite des personnes le 30 juillet, alors que le Niger, en plus de la journée internationale, a institué également une journée nationale. Et cette journée également a été. le décret a été modifié en 2020 pour euh, prendre en compte l'aspect esclavage. Mhm. Donc depuis 2020, c'est une journée nationale de mobilisation contre la traite des personnes et l'esclavage. C'est une journée qui permet euh, d'atteindre le grand public. Mhm pour sensibiliser le maximum de personnes, donc à travers des conférences, débats, à travers des débats télévisés, à travers des caravanes de sensibilisation. Donc plusieurs activités qui rentrent dans le domaine de la sensibilisation sur la traite des personnes et l'esclavage. Mhm. Euh, pour euh, rappel, cette année, nous l'avons célébré à Zender pour euh, toucher également ces questions de mendicité, d'exploitation de mendicité. Nous avons fait un débat télévisé sur la, télé nationale, donc euh, sur euh, la mendicité dans les grandes villes du Niger. Nous avons fait une conférence sur l'état lieu de l'esclavage au Niger et sur euh, les discriminations fondées sur l'ascendance sociale. Nous avons fait également une conférence sur la migration des femmes mm-hmm. vers l'Algérie et la situation des enfants de ces femmes-là. Nous avons même initié un autre débat sur euh, l'éducation des enfants dans un contexte de migration et de traite. Mais malheureusement, nous n'avons pas, compte tenu du temps, nous n'avons pas pu faire cela. Mm-hmm. Mais quand même, c'est dans l'agenda. Mm-hmm. Nous avons également fait une caravane de sensibilisation, toujours dans le cadre de la journée, à Kantché et à Magaria. Nous sommes partis jusqu'à la frontière euh, du Nigeria. Mm-hmm. Et nous sommes partis au cœur de ces gens qui vivent la mendicité dans la migration vers l'Algérie donc, euh, je ne prendrai pas trop de temps, mais quand même, <laughs> c'est juste pour vous dire que c'est l'objectif, c'est d'atteindre le grand public. Mais est-ce qu'il y a des partenaires qui vous appuient euh, dans cette lutte Oui, nous avons beaucoup de partenaires qui nous appuient. Nous avons l'OIM. qui nous appuie euh, dans ce domaine, surtout dans le domaine de la protection. Et même le centre d'accueil et de protection des victimes qui est à Zender est un centre qui a été construit par l'OIM, qui est aujourd'hui pris en charge par l'OIM. Il y a l'ONU de qui nous appuie, dans le domaine euh, du renforcement des capacités de la chaîne pénale. Il y a l'ICMPD qui est le Centre international euh, de développement des politiques migratoires qui est à Abuja, qui nous appuie également dans le cadre d'un projet transfrontalier avec le Nigeria, avec la NAPTIP du Nigeria donc qui est la structure euh, du Nigeria de lutte contre la traite des personnes. il y a également ECAP Sahel, qui est aussi un grand partenaire qui nous appuie euh, dans ce domaine. Oui, euh, monsieur le directeur général, est-ce qu'il y a des lois donc, au Niger sur la traite des personnes, notamment des familles et des enfants oui, bien sûr, il, y a des, il y a une ordonnance de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants, qui est l'ordonnance 2010-86 17 décembre 2010, mhm. qui est le texte de base en matière de lutte contre la traite des personnes. Mais c'est vraiment la traite des personnes de façon générale. C'est conformément au protocole. Mais nous sommes en train de voir euh, pour euh, tendre vers euh, une modification de, l'ordonnance pour prendre en compte des aspects spécialement dédiés aux femmes et aux enfants, parce que ce sont les recommandations du protocole. Au vu donc de l'ampleur euh, de la situation, euh, <laughs> est-ce qu'on peut dire que <laughs> ces lois-là ne sont pas respectées Si, si. Euh, en fait, c'est pas les lois. Les lois sont appliquées, mais le phénomène est encore plus mm-hmm. ancré. Mm-hmm. Donc, le Niger déjà fait beaucoup. Il y a des structures de lutte contre la traite des personnes. Il y a des textes qui répriment la traite des personnes. Il y a eu une division spéciale au niveau de la DST donc qui s'occupe des investigations spéciales, donc euh, qui traite uniquement des questions de traite des personnes et de trafic illicite des migrants. Donc euh, chaque jour, il y a des réseaux qui sont démantelés, il y a des victimes qui font l'objet de protection, il y a des délinquants qui sont emmenés dans les prisons. Mais malgré tout, à chaque situation, il y a aussi euh, le revers de la médaille. Chaque fois qu'on adopte des stratégies, les trafiquants aussi changent de stratégie. Mhm. Donc on est en train de faire euh, en tout cas le maximum. Et en tout cas chaque acteur est en train de, d'œuvrer pour euh, éradiquer le phénomène. Donc je pense que ce n'est pas une question d'application des lois. C'est un phénomène qui est vraiment ancré, qui vient de très loin et qui touche vraiment des couches euh, très vulnérables et qui est peut-être qu'on doit chercher d'abord les mhm. causes profondes de ce phénomène. Oui, euh, est-ce que la l'ANLTP euh, recevait des plaintes En fait, euh, dans nos attributions, nous ne recevons pas directement des plaintes. La L'ANLTP, au niveau régional, donc qui est le représentant de la l'ANLTP, un des substituts, normalement c'est le parquet de chaque tribunal de grande instance, mhm. qui est le représentant de la l'ANLTP. Maintenant, dès qu'il y a une affaire de traite des personnes, de trafic des migrants, l'OPJ saisit le bureau régional. Donc, à travers ça, je dirais que l'ANTP reçoit des plaintes. Mais à travers votre question, j'ai senti que c'est l'ANTP au niveau central. L'ANTP au niveau central ne reçoit pas des plaintes, mais c'est au niveau des régions, à travers les parquets. Donc, euh, les questions de traite sont référées au niveau du, procureur, donc du substitut qui s'occupe des questions de traite. Et ils nous répercutent l'information. Donc, ils nous font des comptes rendus chaque mois par rapport aux cas qu'ils ont eu et donc les suites qui ont été données. Et par rapport donc euh, au rapport du parquet, euh, comment donc euh, ces cas ont été traités Bon, les cas sont traités comme toutes les affaires mhm. judiciaires, mais quand même, souvent, quand il y a un caractère transnational, les cas qui sont connus en région sont transférés à Niamey, mm. au niveau de la DST d'abord. Maintenant, la DST, à travers sa division des investigations spéciales, fait les enquêtes appropriées mm-hmm. et maintenant transfère la procédure au niveau du pôle spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Elaja Al-Mansour Mohamed, vous êtes donc euh, commissaire aux droits de l'homme de l'association Timidria. Est-ce que de votre côté, vous recevez des plaintes Bon, avant de répondre à votre question, euh, par rapport à tous les efforts faits par l'agence aux autres, il faut en tenir compte de cette question de sécurité transfrontalière organisée. Aujourd'hui, il y a des zones, c'est questions de sont des organisée, ces questions de que sont des, déplacements forcés de populations, etc. Favorise ces, questions de, de traite des personnes, etc. Mhm. N'est-ce pas Donc, euh, votre question, si nous recevons... Des plaintes Oui, nous, sommes, euh, nous recevons... Euh, bon, nous recevons effectivement des, des présumés victimes euh, en lien avec ces questions d'esclavage. Mhm. Et nous avons, au niveau de la Chante Moudria, comme je vous l'ai dit, des assistants juridiques qui sont souvent en relation avec euh, les tribunaux d'instance qui mhm. sont dans certains départements ou les TGI en région, en fonction des Donc, nous encadrons ces victimes, n'est-ce pas, mhm. euh, avec nos, nos parajuristes. nous avons également un assistant juridique et un avocat qui suit à chaque fois qu'il y a un cas, c'est à travers ce, cet là que nous arrivons à suivre ou à appuyer, assister la personne. Nous ne faisons que de, l'assistance, de, mhm. l'encadrement, n'est-ce pas Le reste est traité par euh, la chaîne judiciaire. Donc, euh, euh, nous le faisons effectivement. Et nous accompagnons ces victimes, c'est un mhm. accompagnement. il y a eu des procès, soit au Niger ou à l'extérieur, qui ont apporté leurs fruits. Je pense que c'est c'est ce rôle-là qu'une association comme Tamadria, qui mhm. fait la défense des droits humains, en particulier l'esclavage, peut, mhm. pourrait faire pour, euh, en tout cas, euh, contribuer aux efforts de l'État. C'est une mission régalienne de l'État, euh, le respect des libertés, de mhm. l'intimité humaine, etc., à travers ces structures. Nous, nous contribuons. Je pense que notre rôle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous contribuons de cette façon-là. Et à chaque fois, que nous avons des, opportunités, nous, nous sensibilisons, nous portons à la connaissance du monde rural, là où ces phénomènes existent, les lois qui existent, nous leur expliquons les voies et moyens à suivre pour se faire entendre, etc. Et nous, faisons en sorte qu'il y ait quand même des parages dans certaines régions pour être à côté de ces communautés-là. Afin, effectivement, de contribuer à la défense, à la promotion, à la défense des droits humains n'est-ce pas Monsieur Barry Ibrahim, ces derniers temps, plusieurs migrants, parmi lesquels euh, se trouvent des femmes et des enfants, sont refoulés des pays voisins. Alors, euh, comment se fait la prise en charge de ces femmes et enfants Donc, euh, la, prise en charge en collaboration, certainement, parce que, comme je l'ai dit précédemment, notre ministère travaille des concerts en parfaite synergie avec les, autres partenaires tels que l'OIM, c'est que nous avions l'habitude de faire. L'OIM mhm. organise dès le pays des où nos compatriotes sont refoulés, ils organisent leur retour en famille. après, une fois qu'ils atterrissent, donc nous organisons en collaboration toujours avec euh, avec l'OIM, mhm. c'est que nous appelions le charter, qui mhm. consiste à les accueillir de, euh, de l'aéroport vers le centre dans les centres appropriés où ils seront hébergés en attendant le retour en famille à travers le retracement familial. Mhm. Nous faisons le profilage. Après, maintenant, après le retracement familial, nous organisons maintenant leur, retour, mhm. toujours en collaboration et pris en charge par l'OIM parce que nous travaillons avec les partenaires techniques et financiers. Donc, du charter à leur hébergement sur le site, mais maintenant jusqu'au retour dans leur famille respective. Et euh, des fois, maintenant, nous, nous, nous engageons des programme en lien avec la prise en compte de leurs besoins fondamentaux. Mhm. comme, le DG l'a si bien notifié tout à mhm. l'heure, donc la cause fondamentale qui alimente euh, le réseau des personnes, c'est mhm. la pauvreté. Aujourd'hui, la famille doit normalement être entretenu. Et c'est pourquoi cette, cette famille-là, qui constitue un élément fondamental de la société mhm. et un cadre de vie pour, la croissance de tous ses membres, mhm. doit, être, doit recevoir la protection adéquate. Et donc, euh, nous misons aussi sur ces paramètres. Et après, maintenant, ceux-là, euh, dès leur retour, ils sont intégrés dans, dans, dans la société. Et également, nous ajoutons comme programme à l'adolescence de pouvoir les maintenir. Parce que mhm. le problème, c'est la récidive. Euh, le mhm. problème, c'est la récidive. je pense que c'est ce que je peux ajouter par rapport à ce point. Mhm. Vous avez quelque chose à ajouter par rapport à la prise en euh, charge Je peux ajouter aussi euh, quelque chose. par, en cas de refoulement, ce qu'il faut savoir, c'est que je parle des refoulés de l'Algérie. Parce que j'ai eu à assister une fois une vague de refoulés de l'Algérie. D'abord, la direction régionale de l'état civil et la direction régionale de la protection euh, de la femme et la promotion de l'enfant et la promotion de la femme qui interviennent d'abord en premier lieu ils font le profilage donc euh, ils trient d'abord en fonction des régions d'origine de ces personnes refoulées et maintenant organisent leur départ dans les différentes régions donc euh, et là l'OIM vient en appui en donnant des kits Maintenant, le problème qui se pose, c'est que parmi ces cas, il y a au-delà de ce bon, du caractère de refoulement, il y a aussi des victimes de traite. Il y a des victimes, ceux qui ont fait l'objet d'exploitation. Donc, c'est ce qui passe souvent inaperçu. Je pense que c'est l'occasion pour un peu appeler à ah, cela parce que quand on fait le profilage, il faut prêter attention parce qu'il y a des victimes de traite parmi ces personnes qui sont arrivées. Donc il est bon de faire un peu d'approfondir les questions pour qu'on puisse détecter des éventuels cas de traite. Mhm. Et ce que j'aimerais tout à l'heure ajouter, c'est que les femmes et les enfants, au-delà de, l'ordonnance, il y a également les conventions, des conventions très pertinentes, notamment la convention euh, sur le droit de, l'enfant, mhm donc la CEDE et la Convention sur euh, euh, l'élimination de toute discrimination à l'égard des femmes, donc il y a la CEDEF. Donc, ce sont des conventions très pertinentes qui prennent en charge vraiment l'ensemble des besoins de, des femmes et des enfants. La troisième et dernière partie du forum porte sur les défis et perspectives liés à la traite des femmes et des enfants. Monsieur Ousmane Maman, rapidement, nous sommes presque à la fin. Peut-on donc prévenir la traite des femmes et des enfants au Niger? Oui, euh, c'est ce que nous sommes en train de faire. Mhm. Donc la prévention, c'est le quotidien. Parce que c'est à travers la prévention qu'on peut euh, espérer éradiquer mhm. ce phénomène. Parce que le phénomène est en train de prendre de l'ampleur. Donc il faut d'abord sensibiliser pour que au moins les différentes couches, les victimes, les acteurs, les, leaders religieux, les leaders coutumiers, l'administration, et tous les acteurs puissent appréhender d'abord le phénomène et les risques que ce phénomène comporte sur ces femmes et ces enfants et sur l'ensemble de la société. Parce que les femmes et les enfants, vous comprendrez avec moi que ce sont des couches euh, essentielles de notre société. Il y a même un adage africain qui dit que quand les femmes baissent les bras, le monde se croule. Donc, euh, ce sont des couches qu'il faut vraiment protéger. Et pour protéger, il faut connaître le phénomène. Parce que beaucoup n'arrivent pas à appréhender ce qu'est la traite des personnes. Même les plus éveillés n'arrivent pas souvent à appréhender ce phénomène. Donc, il faut faire de la sensibilisation, faire de la sensibilisation et encore faire de la sensibilisation pour que les gens puissent euh, comprendre le phénomène de la traite et ensemble pouvoir éradiquer ce phénomène-là. Al-Mansour Mohamed, Malgré donc euh, tous ces efforts fournis euh, par l'État et ses partenaires, le phénomène persiste toujours. Est-ce qu'il y a des insuffisances dans la politique de lutte le, Oui, le, phénomène va continuer, va continuer à persister puisque euh, nous sommes dans un monde où il y a malheureusement des intérêts divergents, n'est-ce pas Et euh, Par rapport à, la traite des personnes, en général, je pense que, comme ils l'ont si bien dit, il faut vraiment mettre en, place une stratégie de communication et de sensibilisation, mhm. en tout cas, qui pourrait atteindre euh, le maximum du groupe cible. Pour que les Nigériens comprennent, arrivent vraiment à déceler la traite mhm. dans leur quotidien. Parce que nous sommes toujours au marché, nous sommes dans les gares, nous voyageons, nous, nous, etc., nous déplaçons. Je pense qu'il faut qu'il y ait une force pour que chaque gens arrive à déceler ce qui est traite et ce qui n'est pas, et qu'il ait ce courage d'aller dénoncer la question de traite des personnes, n'est-ce pas Ça, c'est la question de sensibilisation. L'autre action, c'est la question de euh, question économique. Mm-hmm n'est-ce pas Essayer de, de, de, de, créer des opportunités économiques à travers euh, les activités agricoles ou les activités d'élevage ou la, pêche, à, travers les irrigations. En tout cas, il faut occuper cette zone-là, mm-hmm. n'est-ce pas L'autre aspect, c'est les lois. Les lois. Il faut des lois, il faut toiletter nos lois, les adapter à notre contexte euh, socio-culturel. En tout cas, il faut les adapter à notre contexte pour, que, pour les rendre plus efficace. Mhm. C'est important. L'autre aspect, euh, nous, nous moi, j'ajouterais que le, les plus hautes autorités, n'est-ce pas, à, chaque discours d'un président de la République, qu'ils mettent l'accent sur ces questions de traite des personnes et de l'esclavage au Niger. Nous sommes dans une République. Je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas droit de citer, n'est-ce pas mhm. et des choses qui doivent être en tout cas combattues avec euh, force et rigueur, n'est-ce pas, par notre État. Et puis, je, le souligne, je l'ai souligné tout à l'heure, que le Niger, quand même, a pris un certain dispositif euh, légal et réglementaire, contrairement à certains pays. <laughs> voilà, Nous, allons rapidement écouter euh, M. Barry Ibrahim rapidement sur les défis et perspectives. Nous sommes presque. <laughs> quant, aux défi, quand, il faut noter à ce niveau, nous sommes face à la recrudescence, sinon la persistance des abus, violences et exploitation à l'égard des, enfants. Il faut également ajouter l'enrôlement, malheureusement, à cause de la vulnérabilité de cette frange de la population que les femmes et les, enfants mhm. connaissent. En dehors de cela, il faut encore, comme défi, créer le cadre permettant maintenant d'aller vers un démantèlement des réseaux mhm. qui alimentent la traite des femmes et des enfants afin d'éviter les désastres qui peut éventuellement neutraliser les acteurs. Nous sommes à la fin de cette euh, émission du forum euh, du studio Kalangu qui a porté sur le thème euh, la traite des femmes et des enfants au Niger. Nous étions en compagnie de Barry Ibrahim, chef de division communication au ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Elhaja Almansour Mohamed, commissaire aux droits de l'homme de l'association Timidria, et Ousmane Maman, directeur général de l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes et du trafic illicite des migrants. Merci donc à nos invités d'avoir répondu à notre invitation. La présentation est assurée par Fatih Zakari. La réalisation Seynia euh, Isaka et la technique euh, Amina Hassan. Merci, euh, le programme continue sur le studio Kalongo.